le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec la situation humanitaire au Niger. Ce matin, le Premier ministre Brigitte Raffini a officiellement lancé le plan de réponse humanitaire 2017 pour le Niger Environ 1,5 million de personnes vulnérables ont été enregistrées par les, par les organisations humanitaires. 136 milliards de francs CFA sont attendus, dont la moitié pour la région de Difa. Les organisateurs de gala euh, des, 100, des 100 entreprises les plus dynamiques euh, dans le collimateur de la justice. L'un d'entre eux se trouve d'ailleurs dans les locaux de la police judiciaire. On en parle dans un instant. Et enfin, un mot de l'économie et avec euh, le récent rapport de la Banque mondiale qui classe le Niger comme euh, le pays ayant engagé le plus de réformes en Afrique subsaharienne. Je le disais tantôt, le Premier ministre Brigitte Raffini a officiellement lancé ce matin le plan de réponse humanitaire 2017 pour le Niger. Pour cette année, il suivait une réponse aux cinq problématiques humanitaires, à savoir l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les épidémies, les inondations et les mouvements des populations déplacées. 1,5 million de personnes vulnérables ont été enregistrées par les organisations humanitaires, dont 340 000 dans la région de Difa. L'argent a mobilisé pour faire face à ces défis est estimé à 100 36 milliards de francs CFA, dont la moitié pour la région de Difa. Au niveau du système des Nations Unies, comment on perçoit cette réponse humanitaire La question est posée au coordonnateur résident au Niger du système des Nations Unies, Fode Ndiaye, au micro de Amadou Moumouni envisage de soutenir 1,5 euh, million de personnes dans le besoin dans toutes les régions du Niger, particulièrement dans la région de Difa avec une crise aiguë, mais dans les autres régions aussi avec les crises euh, chroniques, dans les domaines de la protection, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, euh, des épidémies, de l'accès à l'eau, des biens non alimentaires et aussi de la protection contre les violences faite aux genre et évidemment aussi de l'appui aux, euh, aspects fourragers agricoles. Nous aurons besoin de 271 euh, millions de dollars. Nous sommes conscients que c'est un chiffre euh, important, mais c'est ce qui est nécessaire si nous voulons vraiment sauver des vies humaines, si nous voulons vraiment restaurer l'espoir, si nous voulons vraiment construire construire la résilience euh, des communautés. Nous pensons que la communauté internationale doit se mobiliser pour euh, ce pays, particulièrement aussi pour la région de, de Difa où nous aurons besoin de 140 millions de dollars inclus dans les 271 millions et où il y a des frémissements de retour euh, à la normale, des frémissements de post-conflit, des frémissements de renforcement et de développement de la paix, il nous faut accompagner tout ce processus. Mais ces besoins aussi incluent euh, la nécessité de faire une transition euh, de l'humanitaire vers le développement. Comment faire en sorte que l'on puisse euh, construire les capacités nationales, qu'on puisse construire les compétences des communautés pour justement lancer la machine du développement puisque in fine, c'est cela que nous recherchons. Et je pense que la stratégie de développement euh, économique et social 2017-2021 en cours d'élaboration, en articulation avec les objectifs de développement durable du système des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine, offre opportunément euh, un contexte favorable pour euh, renforcer cela. Déjà en 2016, tout ce qui avait été requis n'avait pas été acquis. Comment cette année ça va l'être Nous continuons la mobilisation. Il faut dire qu'en 2016, euh, sur des besoins réajustés de 260 millions, nous avons quand même réussi, si on compte les ressources mobilisées hors plan, euh, à mobiliser 200 millions. Ça fait à peu près 77% des besoins initiaux. Et malgré euh, le fait que nous n'ayons pas eu 100%, nous avons quand même pu assister plus d'un million de personnes. Maintenant, cette année, il est important que la communauté euh, humanitaire sache que no one should not be left behind. Il ne faut laisser personne de côté. Il faut euh, appuyer toutes ces populations vulnérables. Nous y prendrons d'abord un, le premier point c'est cela, c'est-à-dire que le chef du gouvernement lance officiellement ce plan de réponse humanitaire en appel euh, à la communauté internationale. Et nous avons reçu déjà dans la salle des réponses très positives l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur des États-Unis, ont donné des signaux très forts montrant clairement que la communauté internationale pense que c'est un bon plan, euh, les besoins sont justifiés et qu'il est nécessaire et important de mobiliser ces ressources. Nous continuerons ce plaidoyer, pas seulement au niveau du Niger, mais au niveau des différentes capitales où nous allons nous rendre, au niveau aussi de New York, où nous-mêmes, en tant que Nations Unies, nous avons commencé à la main à la poche en mobilisant déjà, comme je l'ai annoncé, 10 millions de dollars du Fonds central des secours d'urgence euh, pour faire face aux besoins imminents. monsieur le représentant, la priorité c'est DIFA avec 50% du budget. Vous semblez ignorer les autres régions Non, comme je l'ai dit, euh, la réponse humanitaire est basée sur les besoins réels. Les autres régions aussi, sur un besoin total de 271 millions, euh, la partie de DIFA représente 100 40 millions. Mais les autres régions, nous avons une synergie qu'il faut faire entre le processus de construction du développement qui doit répondre à ce qu'on appelle euh, des crises chroniques où les soubassements ont des causes structurelles. Dans ce cadre, avec euh, euh, le Haut Commissariat à l'initiative 3N, nous renforçons les communes de convergence qui est constitue une réponse aux causes structurelles à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en renforçant les capacités des services de santé, des services d'éducation. Nous améliorons l'offre d'éducation et la réponse euh, aux épidémies. Donc les autres régions ne sont pas oubliées, mais il y a une crise aiguë au niveau de DIFA qui a une dimension régionale et qui a aussi une incidence sur le niveau global puisque euh, évidemment si vous avez de l'insécurité à DIFA, vous avez une mobilisation euh, des forces de sécurité. Évidemment, les ressources utilisées pour faire en sorte que la sécurité soit garantie sont autant de ressources qui ne sont pas utilisées pour euh, l'accès euh, aux services sociaux de base et pour les questions de développement. Donc aussi agir à DIFA est un moyen d'agir aussi dans les autres régions parce que nous desserrons une contrainte au niveau des finances publiques. C'était là Foudi Ndiaye, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Niger, relativement donc à la situation humanitaire 2017 au Niger. Les organisations humanitaires en relation avec euh, le gouvernement évaluent les personnes vulnérables à 1,5 million, dont 340 000 pour la seule région de Difa. Difa parce que la sécurité constitue toujours une préoccupation et ses conséquences restent fâcheuses. Le ministre de l'Action humanitaire explique pourquoi intervenir plus à Difa que dans les autres régions du Niger. là où on Magaji au micro du Hamadou mummuni Le plan de réponse euh, humanitaire, c'est un plan de réponse d'urgence. C'est la situation d'urgence qui est répondue. Ici, dans notre cas du Niger, sur les 1,5 million de euh, personnes qui sont en situation d'urgence, la région de Diffa en elle seule a 340 000 personnes à prendre en charge. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la région de Diffa est aussi une zone d'insécurité avec euh, donc les exactions et toutes les incursions de Boko Haram. Donc ces populations ne peuvent pas s'asseoir pour faire leur activité quotidienne génératrice de revenus. Celui qui bouge, qui, ne sait même pas où est son domicile, et se déplace parfois, elle laisse tous ses biens derrière. Il faut qu'on l'assiste à nos hygiène, assainissement et en alimentation. Donc c'est pourquoi donc l'essentiel de ces fonds va venir en appui à la région de Difa. Cela n'empêche que euh, les partenaires vont aider le Niger à travers des projets de développement pour que dans les autres euh, parties du Niger également que l'action puisse se poursuivre au courant de l'année. Dans le cadre de ce euh, Mhm. D'abord, on a réduit nos, besoins. On est passé de 316 millions en 2016 à 271 millions, mhm. donc près d'une cinquantaine de millions de moins. Euh, deuxièmement, on a déjà approché les partenaires. Par exemple, si tu prends la Commission de l'Union européenne, à elle seule, elle va prendre en charge à peu près 52 millions de dollars. Les États-Unis vont prendre en charge au moins 46 millions de dollars. Le Canada prend en charge à peu près 33 millions de dollars. Tu vois, si tu fais les trois, les trois partenaires dont les représentants sont dans la salle, vous les avez entendus, ils ont pris la parole pour confirmer qu'ils vont effectivement mobiliser. L'ambassadrice des États-Unis vient de parler, euh, euh, l'ambassadeur de l'Union européenne vient de parler. Donc c'est dire que euh, vraiment nous osons espérer que cette année, très tôt, on va s'y mettre afin qu'avant le premier trimestre, la fin du premier trimestre, qu'on ait le maximum de fonds qui sera encaissé au niveau du gouvernement pour pouvoir venir en aide à la population. Le coordinateur humanitaire a souhaité dans son intervention que les mesures restrictives concernant DIFA sur la sécurité euh, soit un peu levé. Qu'est-ce que vous en dites Écoutez, euh, tous les trois mois, il y a un état d'urgence qui est renouvelé. C'est renouvelé parce qu'il y a un examen en amont de la situation qui est fait. Aujourd'hui, nous sommes tous euh, unanimes qu'il y a une accalmie. Et j'ose espérer que cette accalmie, d'ici la fin de ce mois, peut-être va nous permettre de voir pour l'état d'urgence du trimestre à venir, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut soulager là-dedans. Donc le gouvernement va examiner ça, certainement, tenant compte de la situation de maîtrise de la, de la situation de la région pour voir dans quelle mesure il peut euh, soulager un peu. Déjà, après le passage du ministre d'État euh, à l'intérieur, il y a à peine une semaine, le couvre-feu a été prolongé d'une heure de temps le couvre-feu a déjà été prolongé d'une heure de temps. Donc c'est déjà un pas qu'on fait. Plus la situation est maîtrisée, mieux donc il y aura des levées de ces, situations. L'espoir est né vraiment divin ah, L'espoir est né vraiment. Moi j'ai beaucoup d'espoir, Inch'Allah, avec la force mixte qui est en train de travailler fortement dans le lit, avec les repentis. Il y a des jeunes de Boko Haram qui sont en train de revenir pour dire qu'on a fait une erreur, on veut revenir, on veut être inséré. Eh bien, on va vous euh, prendre en charge, on va vous préparer pour que vous retourniez dans vos familles. Je pense qu'on peut espérer que dans les semaines... Les jeunes, les jeunes continuent à se repentir Ah oui, oui, oui, déjà, on est autour de 60 déjà qui sont venus de leur propre chef pour euh, s'inscrire au niveau du gouvernorat de la région de Difa. Le ministre de l'Action humanitaire, Lawa Magaji, et par rapport aux besoins de la région de Difa sur le plan humanitaire au cours de cette année 2017. De son côté, le président du conseil régional de la ville euh, de Difa était également présent à la cérémonie de lancement de la réponse humanitaire. Il parle euh, d'une zone qui souffre de l'insécurité, mais l'espoir, c'est que euh, ces jeunes commencent déjà à se repentir chaque jour. Mayrou Malam Ligari, interrogé par Amadou Moumouni. Niger, particulièrement la région de Difa, nous souffrons également du terrorisme et de ses conséquences. ce qui fait que aujourd'hui, même si on estime que euh, il n'y a plus au fait des offensives militaires, du moins des terroristes contre euh, les militaires, il va euh, de soi aussi qu'il faut garder la vigilance du moment où les attaques sporadiques vont continuer jusqu'à l'éradication totale de ces malfaiteurs. Vous savez, heureusement pour nous, notre pays s'est beaucoup engagé sur le front et récemment avec les activités du Nigeria, notamment à Sambisa, a fait qu'aujourd'hui, la base arrière de ces activistes est complètement détruite. Donc ce qui nous donne beaucoup de chance au niveau de la région de Difa désormais, vraiment de penser à une paix, une paix durable même. Et vous avez vu tout récemment, il y a des gens qui sont venus remettre les armes et ils continuent à venir il continue à s'annoncer et nous pensons que nous devons prendre toutes les dispositions pour que ceux qui arrivent puissent être euh, en tout cas insérés euh, progressivement dans un système de, déradicalisation et pour que en fait euh, que ces gens en tout cas ne puissent plus encore se transformer en bombes humaines. Déjà ils sont combien Bon le nombre ça ça depuis leur arrivée vous savez le nombre ça, ça évolue hein, tous les jours ça évolue en tout cas il faut compter déjà une centaine. Alors, quel est l'espoir que vous nourrissez à la suite euh, du fait qu'on dit Difa va avoir 50% des fonds qui doivent être mobilisés. L'espoir que nous nourrissons, déjà nous savons que par les premières mobilisations, la région de Difa a été bien servie. Tous les humanitaires euh, se sont occupés de la région de Difa et nous fondons l'espoir surtout pour les activités qui sont à caractère de relèvement, un relèvement rapide des populations pour passer au développement. C'est surtout ça notre grand espoir. Il faut que nous nous retournions véritablement vers le développement parce que vous savez, eh, ce terrorisme n'a de terreau qui dans la pauvreté. Et c'est pourquoi, effectivement, plus nous activons sur le développement, plus nous avons beaucoup de chances à les éradiquer. La suite de ce forum, les organisateurs de l'édition 2017 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques sont depuis vendredi dans le collimateur de la justice. L'un d'entre eux est en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. En effet, la soirée de gala qu'ils avaient voulu organiser samedi n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'ils reprochent à ces organisateurs pour en savoir un peu plus? Nous avons interrogé le journaliste et responsable du Business Challenge et Agri Challenge, Seydou Souley. On l'écoute. Nous avons appris que c'est un événement qui allait se passer. Comme beaucoup de gens, nous avons vu les affiches, nous avons vu euh, la publicité qui passait à la télé. Et naturellement, nous particulièrement, ça nous a intéressés parce qu'on s'était dit quand même, c'est un événement qui concerne les entreprises nigérienne. Et donc, Business Challenge, Agri Challenge, ça pourrait nous intéresser parce que tout simplement, nous sommes connus au Niger pour ça. Nous travaillons dans l'information économique. Donc, quand quelqu'un, d'où qu'il vienne, sur le territoire nigérien, il s'intéresse à ça, pour nous, nous devrons quand même aussi voir comment euh, euh, nous intéresser à l'action. Donc, voilà vraiment euh, le départ, comment ça s'est passé. Quand nous, on a vu ça, moi, en tant que responsable euh, de Business Challenge et de Agri Challenge, naturellement, je me suis dit, bah, il faut qu'on prenne langue avec les organisateurs de l'événement pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On avait eu cette idée-là. Hein. Mais entre-temps, il y avait euh, Tantam Info qui a publié un article qui m'a personnellement alerté et je pense qu'il a alerté beaucoup de gens parce que Tantam Info euh, disait dans ce premier article-là qu'ils ont publié qu'ils attiraient l'attention en disant faites attention, cette affaire apparemment c'est une arnaque. Et ils ont donné quelques indices, quelques éléments d'information. Parmi les indices qu'ils ont donnés, ils ont dit que euh, la société Nigernais, par exemple, a été approchée par euh, l'organisateur ou les organisateurs du gala hein, et que Nigerlais euh, a, décliné leur offre parce que Nigerlais a vu que ce n'était pas une démarche orthodoxe, ce n'était pas éthique ce qu'ils veulent faire. Bon, moi, sur la base de l'article de Tamtam, j'ai essayé aussi de comprendre, euh, donc je, Effectivement, à titre personnel, je contacté Nigerlais, je suis parti les voir pour demander est-ce que ce que Tam Tam avait écrit est vrai ou faux. À Nigerlais, on m'a confirmé qu'effectivement, c'est vrai parce que ils m'ont montré euh, des lettres. En fait, une lettre euh, qui informe la société Nigerlais qu'elle est lauréate de ce classement des 15 meilleures entreprises du Niger, mais qui se retrouve aussi être 100. Euh, en fait, ils ont fait une liste de 100 et une liste de 15, les 15 top, quoi et qu'il euh, y aura euh, une, soirée de gala et que pour participer à cette soirée, Nigerlais doit contribuer. Il y a deux, deux options, soit 20 millions, soit 25 millions. 20 millions, ils disent que c'est or, 25 millions diamants. Donc, ça veut dire quoi concrètement <laughs> or, diamant là euh? Non, c'est juste euh, des niveaux de participation parce qu'ils disent qu'en fait vous contribuez pour bénéficier des actions de communication qui auront lieu autour du gala. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup ce la logique des classements ou la logique des évaluations, peut-être qu'ils ne vont pas voir la faille. Mais la faille, elle est où D'abord, premièrement, quand on fait un classement des entreprises, on n'envoie pas une lettre à des entreprises pour leur dire vous êtes classé. Elles doivent savoir hein, en amont quelles sont. Il y a une étude qui est en cours, les critères sur la base desquels cette étude euh, sur la base desquels cette étude est faite, les raisons pour lesquelles cette étude est faite, et puis quand vous classez quelqu'un, vous lui donnez quand même les, indicateurs sur lesquels vous avez travaillé, comment vous parce qu'une entreprise est toujours dans un secteur. Quand on fait une étude, on vous compare par rapport à d'autres personnes dans votre secteur. Donc, je pense que, en tout cas, Niger, le que j'ai contacté m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu cet organisateur du gala et n'ont jamais vu quelqu'un qui est venu évaluer leur entreprise. Ils ont vu, ils ont pris connaissance de cela seulement le jour où on leur a ramené la lettre et la demande de, de payer 20 millions ça, c'est un premier problème. Le deuxième aussi problème qu'il y a, pour lequel d'ailleurs même nous, quand nous avons voulu nous associer avec eux, on s'est rendu compte que ce n'est pas très éthique et qu'on on s'est retiré tout de suite. C'est que quand vous évaluez des entreprises, quand vous faites une évaluation, vous ne pouvez pas demander aux gens que vous avez évalués de payer pour recevoir un prix. Ça ne va pas avec le bon sens. En principe, si vous évaluez, vous devrez être le plus indépendant possible des personnes ou des entités que vous avez évaluées. Mais là, quand vous dites aux entreprises de payer, alors que vous prétendez les avoir évalués, ils sont meilleurs, ils vont recevoir un prix, mais qu'ils payent pour participer à votre événement. Au départ aussi, elles n'ont rien demandé. Elles ne vous ont pas dit, monsieur, s'il vous plaît, venez évaluer nous. Non. Donc, vous voyez, là, il y a encore un autre problème. Hmm? C'est comme si vous faites un examen, vous corrigez les copies, vous dites un tel, tu es premier, tu es deuxième, tu es troisième, et qu'après, vous dites, OK, pour recevoir vos copies, ou bien pour recevoir vos diplômes, vous payez. Il y a un problème, n'est-ce pas C'est de Il y a beaucoup qui le font, beaucoup d'agences de, communication au plan national qui le font. Moi, je ne sais pas si beaucoup le font parce que je n'ai jamais vu la preuve comme ça, mais quel qu'en soit qui le fait, ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique du tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que des euh, entreprises comme Nigerlay ont décliné. En tout cas, Nigerlay a décliné euh, l'offre parce qu'elle a considéré que ce n'est pas une approche éthique. Normalement, ce qu'on aurait pu imaginer, en fait, faire des classements, faire des évaluations de manière rigoureuse, c'est important dans un pays. Mais quand on fait une évaluation, d'abord, on s'assure qu'on a véritablement fait ce travail d'évaluation de manière professionnelle, qu'il existe des rapports, qu'il existe une documentation qui montre que ces entreprises ont été évaluées par des professionnels, qu'il existe peut-être même un jury qui a une crédibilité pour dire hein, nous avons attesté que ces entreprises représentent tel, tel, tel, tel critère et que tel est première par rapport à tel. D'accord Et maintenant, ces genres d'études, naturellement, c'est un travail qui demande de l'argent. Qui devrait financer ça ce pas les entreprises qui sont évaluées. Ça peut être, par exemple, prenons un exemple. Dans un secteur, par exemple, euh, une organisation qui représente l'ensemble du secteur dit je veux qu'on m'évalue les entreprises de mon secteur. Par exemple, euh, s'il y a une association des entreprises euh, de transformateurs laitières, en toute indépendance, elle peut dire écoutez, je commets tel cabinet pour faire ce travail-là et que tout le monde est d'accord. Même s'il n'y a pas ça, on peut imaginer par exemple des institutions indépendantes qui sont hors course, qui ne sont vraiment pas concurrentes dans, dans l'évaluation qui va être qui va être faite, par exemple la chambre de commerce ou même le gouvernement. Le ministère euh, du commerce et de la promotion des secteurs privés. Euh, dire bon, nous aujourd'hui nous voulons savoir quelles sont les entreprises dynamiques et compétitives de notre pays. Ils vont même peut-être faire un appel à candidature, sélectionner des cabinets capables de faire ce genre d'évaluation. Ils vont donner euh, un cahier de charges à ces cabinets, ils vont dire allez-y les évaluer, on vous paye pour ça. Il se pourrait même que quand on fait l'évaluation, on fait un gala comme on a dit là. Mais même le gala, c'est encore peut-être le bailleur de fonds indépendant de ces entreprises qui va financer. Ou alors, s'il y a des entreprises qui veulent les sponsoriser pour communiquer, ça ne doit pas logiquement être les mêmes qui sont en compétition. Vous voyez Donc voilà la subtilité et puis l'éthique Hein, qu'il faut comprendre derrière ce genre d'initiative. Si vous demandez à quelqu'un de payer pour figurer dans une évaluation, il y a un problème. Et rien qu'à ce niveau-là, ça aurait pu quand même mettre la puce à l'oreille de beaucoup de chefs d'entreprise et de beaucoup de patrons d'institutions pour se dire mais attendez, il y a quelque chose qui cloche. Et puisque c'est une évaluation, normalement, même si tout le, grand public n'a pas droit au rapport ou à la manière dont le travail a été fait, ceux qui sont quand même les bailleurs de fonds, ceux qui sont les partenaires, doivent avoir les rapports, hein, doivent avoir le, les bases sur lesquelles les évaluations ont été faites. Et même les lauréats ont le droit quand même de savoir sur quelle base ils ont été évalués, n'est-ce pas Est-ce que vous avez comparé leur bilan Est-ce que vous avez comparé à euh, des données d'analyse financière Est-ce que vous avez, même quand vous avez comparé, vous avez comparé qui et qui Voilà les vraies questions qu'il fallait que tout le monde se pose pour savoir si ce genre de classement est professionnel, éthique ou ne l'est pas. C'est pas au Niger qu'il avait euh, voulu commencer cette soirée de gala. Il l'a fait au Bénin, il l'a fait au Burkina. Comment se fait-il que ce monsieur n'a pas pu être appréhendé euh, dans tous ces pays, sauf ici au Niger Bon, euh, les comment, je ne sais pas. honnêtement, je pense que comme vous, je constatais quand même que ça a été fait dans plusieurs pays. Et, L'année dernière, c'était au Burkina Faso. On a vu des images sur euh, certaines télés. Mais toujours est-il que les questions que je me suis posées, les questions qu'on pose là, hein, dans tous les pays du monde, on devrait se poser ces mêmes questions au Niger, il peut arriver aussi, hein, vous savez, une des choses qui peut facilement influencer les chefs d'entreprise ou ceux qui investissent dans ce genre d'affaires, c'est quand on vous dit par exemple que un événement comme ça est parrainé par exemple par un président de la République ou bien il est parrainé par le Premier ministre. En général, dans des pays comme les nôtres, dès que ça atteint à ce niveau, c'est-à-dire on prend ça tellement au sérieux qu'on ne se pose plus de questions. Vous voyez Et ça, je, pense que ça a pu peut-être être quelquefois un élément qui a fait en sorte que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup euh, essayé de comprendre la logique des choses. Bon, quand vous voyez une publicité ou des affiches qui vous disent sous le haut patronat du président de la République ou sous le haut patronat du Premier ministre, vous, en tant que chef d'entreprise, vous allez vous dire, mais si même le chef de l'État est dedans, ça veut dire que c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas Bon, le X c'est qu'il peut arriver aussi que euh, les chefs d'État ou bien les chefs de gouvernement soient aussi impliqués dans ce genre de choses sans qu'ils le sachent immédiatement. Ils ont des cabinets, ils ont des gens qui travaillent autour d'eux. Quelquefois, c'est peut-être il y a eu des discussions avec telle ou telle personne autour d'eux et qui, a engagé l'autorité de l'État. moi, pour moi, je pense que euh, ma compréhension jusque-là des choses, je me dis c'est peut-être une des raisons, mais en toute euh, logique, le bon sens voudrait quand même, comme je vous le disais, que d'abord un classement, les parties prenantes du classement d'une évaluation ne peuvent pas payer mmh. pour participer à un concours dans lequel ils n'ont rien demandé. Et même s'ils doivent le faire, pour que le classement soit éthique et équitable, ils doivent tous peut-être s'entendre que nous allons tous payer pour qu'on nous évalue. Et aussi, quand on évalue quelqu'un, il faut quand même créer les conditions pour que le travail qui a été fait, on sache qui l'a fait, dans quelles conditions il l'a fait, quel est le professionnalisme hein, des personnes ou de la personne qui a réalisé ce travail. Bon, si vous ne donnez pas toutes ces garanties-là, naturellement, vous créez les conditions pour que les gens doutent. Et je pense que c'est à partir de ces doutes-là que même l'article de Tamtam est né, que même euh, la suite, hein, euh, je pense que je viens de notre article où il disait que la soirée n'a pas eu lieu pour, euh, parce que l'organisateur aurait été interpellé à la police. Bon, tout ça, je pense que c'est parti quand même du fait que ceux qui ont regardé de près se sont rendus compte qu'il y a des éléments logiques qui manquaient dans le processus ou alors qui n'ont pas été portés à la connaissance des, gens pour qu'ils puissent apprécier positivement la chose. C'est est-ce que vous pensez que la Halsia peut avoir un droit de regard ou bien peut avoir euh, matière à réflexion dans ce dossier oui, mais naturellement, c'est, vous savez, moi je pense qu'un état de droit, c'est aussi ça, un état de droit. Et dans l'état de droit, la justice ou bien les mécanismes par lesquels la, la, justice peut opérer doit fonctionner. De toutes les façons, la loi a défini toutes les situations dans lesquelles euh, donc elles ont un, un, droit de regard. Maintenant, quand je me base par exemple sur l'article de Tamtam, Tamtam a attiré l'attention en disant faites attention, peut-être que c'est une grosse escroquerie. Bon, si une grosse escroquerie doit se faire hein, dans un pays qui va affecter plusieurs personnes ou plusieurs entités morales, naturellement, l'ALCIA est quand même là pour préserver hein, euh, les intérêts, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des, crimes de, de, ce genre ou bien de délits de ce genre. Oui, je pense que euh, l'Alcia est comme hein, tout autre, appareil de droit lié au droit dans notre pays peuvent regarder ce genre de, de, situation, pas même sur ce cas seulement, sur des cas potentiels aussi qu'il peut avoir euh, aujourd'hui ou demain. C'est du soleil. Est-ce que cette situation doit faire école euh, pour les autres qui sont actuellement tapis dans l'ombre ici même au Niger Oui, ça doit faire école. Et je pense que ça doit, chacun doit tirer un enseignement de cela. mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut quand même que dans un environnement d'affaires, qu'il y ait des respects des normes éthiques. L'éthique est importante dans toutes les choses de la vie. Et tous les acteurs, que ce soit, économique ou politique ou social, ont quand même une certaine exigence dans leur action, une certaine exigence d'ordre moral et d'ordre éthique. Par exemple, euh, quelqu'un disait, oui, bah, beaucoup de gens le font, c'est des communicateurs, euh, dans la communication on le fait. Mais sauf que la communication, c'est un métier comme tous les autres. Et la communication est gérée par le droit, comme tous les autres métiers. Et la communication, en plus du fait que le droit gère la communication, il y a quand même des règles éthiques dans la communication. Et les règles éthiques voudraient quand même aussi que on ne fait pas, euh, comme je le disais, la communication c'est pas quelque chose qu'on fait dans le vent. Hein. c'est, on ne peut pas dire parce que c'est la communication on fait tout et n'importe quoi. Non, il y a des règles. Une des choses, par exemple, euh, d'ailleurs, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit mais euh, nous on ne comprend pas l'organisateur de gala c'est un cabinet, en principe, d'après le dépliant, il est censé être un cabinet d'expertise financière et comptable. Alors, un cabinet d'expertise financière et comptable qui organise des, des, événements, ça cloche un peu quand même, parce que la mission d'un cabinet d'expertise euh, en gestion et en comptabilité, c'est beaucoup plus d'accompagner les entreprises dans leur gestion, dans leur gestion comptable, dans leur gestion financière. La création d'événements, c'est une activité à part. Peut-être qu'ils peuvent avoir d'autres partenaires qui le font, hein, avec lesquels ils vont le faire, mais ce n'est pas leur vocation. Ce n'est pas la vocation d'un cabinet. Vous voyez Mais dans des pays où, malheureusement, on n'est pas strict dans le respect des règles. Ces choses-là peuvent arriver. Mais eh, comme vous le dites, je pense que eh, tous les acteurs économiques, tous les citoyens, et eh, nous tous en tant que citoyens, nous devons faire preuve quand même d'un minimum d'éthique dans ce que nous faisons parce que s'il n'y a pas d'éthique, on peut faire des dommages. On peut faire des dommages à beaucoup de personnes, on peut faire même des dommages à soi-même. C'est que le professionnalisme rime avec l'éthique. Sous les on vous remercie. Merci beaucoup. C'était là Cédou Souley, journaliste et responsable de Business Challenge et Agri Challenge par rapport au contour de l'édition 2017 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques dont les responsables sont depuis vendredi et d'ailleurs dans, dans le collimateur de la justice nigérienne. Dans son adresse à la nation à l'occasion de la fête du Nouvel An, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a évoqué le récent rapport de la Banque mondiale qui classe le Niger comme le pays ayant engagé le plus de réformes en Afrique subsaharienne. Selon l'économiste et homme politique nigérien Sanusi Tambalijakou, ce bon dans le classement est le fruit des efforts du gouvernement nigérien dans le cadre de l'amélioration du climat à des affaires. On l'écoute. Il ne s'agit pas ici d'exposer le taux de croissance du revenu national brut ou net ou de parler des chiffres relatifs euh, aux emplois qui ont été créés ou qui ont été distribués. Il ne s'agit pas non plus de parler du taux de l'inflation et de quelques chiffres que ce soit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, ça relève du programme des Nations Unies pour le développement qui le fait dans le cadre de ses calculs euh, relatifs euh, à la recherche des divers indices du développement humain. Pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici des conditions législatives, réglementaires et autres qui ont été adoptées dans le cadre de la création d'un espace, d'un climat et d'une situation favorable au développement des affaires, notamment des affaires commerciales. Il s'agit en gros des mesures relatives à la bonne gouvernance permettant de mettre dans de bonnes conditions des investisseurs nationaux et étrangers pour qu'ils puissent fleurir leurs affaires. Il s'agit ici des conditions pouvant permettre à tous les opérateurs économiques producteurs et investisseurs, consommateurs et épargnants, de faire bien fonctionner leurs affaires, entreprises individuelles, familiales, entreprises collectives. Il s'agit donc de toutes les conditions qui puissent leur permettre de s'épanouir. Dans ce cadre-là, vous avez des mesures qui sont adoptées à l'intérieur des textes que vous connaissez bien et qu'on appelle le code des investissements. Dans le code investissements dont nous sommes peut-être à la dixième version depuis notre indépendance, dans ce code d'investissement, les conditions permettant aux investisseurs nationaux et étrangers de venir opérer, ces conditions-là sont bien facilitées. Et des possibilités d'épanouissement sont données législativement et réglementairement à des opérateurs économiques. C'est-à-dire qu'on leur déblaye le terrain pour qu'ils puissent venir travailler, opérer, investir, épargner, etc. Le code d'investissement, par exemple. Il s'agit aussi des textes législatifs et réglementaires relatifs aux questions d'importation et d'exportation. Et euh, il s'agit de tous les allègements pouvant permettre aux opérateurs économiques de se sentir à l'aise pour pouvoir opérer dans le cadre de leurs opérations d'importation et d'exportation. Il s'agit aussi de tous les textes législatifs et réglementaires qui puissent permettre à l'intérieur du pays, aux opérateurs économiques, de travailler sans aucune gêne et aussi sans aucune contrainte. Bref, il faut mettre à l'aise les opérateurs économiques. Il y a beaucoup de textes qui ont été édictés dans ce cadre-là. Il y a des textes relatifs à l'organisation de l'économie, à l'organisation du commerce, de l'artisanat, des textes relatifs par exemple euh, aux chambres de commerce, à leur création ou à leur amélioration ou alors à la facilitation pour elles des affaires. Il y a tout ça. Vous voyez, actuellement au Niger, nous avons une chambre de commerce et d'industrie, il y a une chambre d'agriculture et même une chambre d'artisanat. Tout cela, c'est pour faciliter les transactions, c'est pour faciliter les affaires. Le Niger a gagné 10 points dans le classement mondial, passant de la 160e place en 2016 à la 150e en 2017. En quoi est-ce que cela est bénéfique pour le Nigérien moyen Je termine en disant que au Niger, il a été créé tout dernièrement un tribunal de commerce en dissociant les affaires commerciales des autres affaires civiles et pénales au niveau de la justice. Cela procède de la facilitation qu'on apporte dans le domaine des transactions commerciales et la rapidité avec laquelle les conflits en cette matière peuvent être réglés. C'est une bonne manière d'améliorer le climat des affaires. Maintenant, au niveau mondial, il y a donc des classements qui sont faits. En tout cas, il y a un classement qui est fait dans ce cadre-là, dans le cadre de l'amélioration des affaires. monde dit, quand on se pose la question, quel est le pays où les investisseurs, euh, opérateurs économiques euh, auront moins de soucis, auront moins de gênes, auront moins de tracasseries et trouveront un terrain plus favorable, que ce soit sur le plan de la circulation des personnes, des biens et des marchandises, et même la circulation de l'argent, que ce soit dans le domaine euh, des diverses opérations à l'intérieur du pays, quelle est la situation au Niger et dans les autres pays Eh bien, on sait que dans le monde, il y a des pays où il est même très difficile de pénétrer, il est très difficile d'importer, il est très difficile d'exporter il est très difficile de faire du commerce, euh, même en ce qui concerne le problème financier et monétaire, le problème des transferts de capitaux. On sait tout ça. Là. Alors évidemment, dans le cadre de ces classements-là, cherche à savoir quel est le pays, ou bien quels sont les pays où les opérateurs économiques et investisseurs sont les plus à l'aise, quel est le pays où l'épanouissement des affaires est le plus grand le plus important où la gêne est moins grande. C'est de ça qu'il s'agit ici. Là. évidemment, il y a des pays où c'est très facile, où il n'y a pas de gêne, où il y a même de bonnes conditions d'opérer. Ce sont eux qui sont les premiers, ces pays-là. Et au fur et à mesure qu'on les classe, on part des pays où la situation est beaucoup plus facile, la gêne est moins grande et on descend de moins en moins jusqu'à arriver au dernier pays où les contraintes sont très dures euh, dans le cadre de la recherche de l'épanouissement des affaires que ce soit des contraintes physiques, économiques, politiques, euh, financières et juridiques, que ce soit sur le tout qui est examiné et qui permet donc euh, de classer le pays par ordre décroissant. Voilà donc de quoi il s'agit. Le Niger faisait partie euh, des pays où euh, les conditions d'exercice du commerce et des opérations économiques euh, étaient très difficiles, mais progressivement, avec le régime du, président Issoufou, la situation est en train de s'améliorer et le Niger est en train de devenir un pays fréquentable et fréquenté. C'est de ça qu'il s'agit. Nous savons que la publication de ce rapport intervient dans un contexte où les gens crient que les temps dur, taï tauri, le syndicat des revendeurs euh, de véhicules d'occasion qui crie au scandale avec euh, ce que l'on est convenu d'appeler la bolorisation de l'économie nigérienne. Quelle euh, réaction cela suscite en vous, Monsieur le Président Vous savez, quand des gens vivent une situation donnée, dans des cadres juridiques donnés, dans l'acceptation de ces cadres juridiques et aussi dans son application et aussi son inapplication et dans un certain désordre et dans une certaine indiscipline. Quand les gens vivent tout ça et que par la suite, brusquement ou progressivement, on veut mettre de l'ordre, on veut imposer la discipline conforme au texte législatif et réglementaire, eh bien les gens ne manquent pas de crier scandale. C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il y a des lois, même s'il y a des, textes réglementaires et que cela n'était pas respecté, n'était pas appliqué, on laissait les gens faire ce qu'ils veulent. Mais le jour où on, où on décide de faire respecter les lois, en ce moment-là, les gens vont trouver ça anormal. Regardez, c'est très simple. Vous savez tous qu'il faut nécessairement avoir un permis de conduire pour conduire un véhicule. Pendant longtemps, il y a des gens qui conduisent sans permis de conduire. Et même s'ils sont pris par la police, ils s'arrangent toujours pour s'en sortir, à grand compte à bon compte. Et les gens ne respectent pas donc la circulation. Les gens ne respectent pas certaines réglementations, telles que pour les automobilistes, euh, celle euh, de ne pas téléphoner lorsqu'on est au volant. Mais lorsqu'on exige de ça, ça devient un problème. Les motocyclistes, ils savent très bien qu'il est absolument obligatoire de circuler avec des casques sur la tête. Et pendant longtemps, euh, ce n'est pas de la négligence, mais euh, les autorités policières et autres les ont laissés faire. Mais le jour où on exige d'eux qui respectent cette réglementation, ils vont trouver qu'à Taïtaoui. Et vous continuez. Tout le monde sait qu'on doit payer. tout automobiliste doit avoir son permis, il doit avoir euh, comment s'appelle une carte grise. Et il y en a qui n'en ont pas. Ou il y en a qui, qui, les ont égarés, ou alors, en tout cas, ils, ils ne portent pas ça sur eux. Et c'est pourtant obligatoire de circuler avec sa carte grise. Mais il y a eu euh, de la dilettante dans l'application de cette règle. Mais le jour où la police décide d'appliquer la règle, on dit Ah, t'as Les gens doivent payer les vignettes. Ils doivent les afficher, les coller sur les pare de leur voiture. Bon, pendant longtemps, ben, les autorités policières ou celles qui sont chargées de, de surveiller tout ça là, bon, ferment plus ou moins les yeux ou bien ils ne sont pas très rigoureux. Eh bien, les jours où ils deviennent rigoureux, on dit Ah, t'as Mais écoutez, eh, quand les gens doivent payer leurs impôts il y en a beaucoup qui ne payent pas. On a coutume de dire que trop d'impôts tuent l'impôt. Quand on décide un beau jour euh, de faire une augmentation sur les frais de dédouanement ou bien sur euh, les frais de transit, mais est-ce que ça ne freine pas un peu l'économie du pays D'abord, en ce qui concerne ces augmentations ou ces diminutions ou ces maintiens des taux des impôts, en ce qui concerne les douanes, en ce qui concerne les véhicules et autres. Je ne suis pas expert là-dessus. Allez-y demander à des spécialistes qui vous en parlent. Mais une chose que je sais, moi, c'est que lorsqu'il y a une réglementation... C'est aussi une question d'économie. Non, non, non, je suis d'accord, mais je ne connais pas euh, pratiquement les taux qui ont été appliqués. Mais tout ce que je sais, c'est que sur le principe, euh, ma foi, il y avait certainement cette réglementation-là qui n'était pas appliquée, mais le jour où on veut l'appliquer, en ce moment-là, les gens se rejambent et puis et, puis il crie au scandale. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Bolloré, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Sony Loga. Moi, je n'ai pas de détails par rapport à ça. Mais j'ai entendu les gens crier, j'ai entendu les gens dire que c'était un scandale. Mais en réalité, c'est quoi C'est quoi exactement Parce que quand, par exemple, on passe d'un système à un autre, un système où, disons, les responsables de la surveillance et de la collecte des taxes et impôts euh, sont euh, plus humains, plus gentils et moins regardants que ceux qui vont venir par la suite, ça devient un problème évidemment. Mais écoutez, on ne peut pas dire au Niger qu'il y a trop d'impôts et que on euh, comme trop, trop d'impôts tue l'impôt. Il y a des livres comme ça dont le titre est Trop d'impôts tue l'impôt. J'en ai même un, je peux vous le montrer. Mais ça, c'est de la théorie, ça, c'est de la doctrine. Bien sûr que c'est comme ça. Mais je vais vous dire une chose, c'est que dans les pays développés, comme la France, où tous les citoyens connaissent absolument leurs droits et leurs devoirs. Mais il n'est pas nécessaire d'utiliser la contrainte physique ou la contrainte légale pour que quelqu'un paye ses impôts. En France, quand le moment de payer les impôts arrive, le moment de payer les taxes, ce sont déjà eux-mêmes qui vont remplir leur déclaration et qui vont porter l'argent là où il le faut. Mais est-ce que c'est la même chose chez nous il faut nécessairement qu'on oblige toujours des gens à payer les impôts. Et on a l'impression que c'est la période coloniale qui continue, cette période au cours de laquelle euh, les colonisateurs envoyaient des gardes, euh, des, des, gendarmes et des chefs pour chercher les impôts à coups de cravache. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit Ce n'est plus ça. Nous ne sommes plus les colonisés, nous sommes des citoyens et nous devons savoir que c'est avec les impôts que nous payons qu'on fait fonctionner nos États. Mais c'est tout. Si les gens comprennent tout ça, ça va aller de soi. Regardez le problème des, immobilisations, des habitations, les, impôts fonciers, qui les paye au Niger Les taxes immobilières, qui les paye au Niger Les taxes locatives, qui les paye au Niger mais c'est de l'argent, non pas qui est perdu pour l'État, mais c'est de l'argent qui n'est pas récupéré pour l'État. La publication de ce rapport euh, intervient également dans un contexte où les agents des résidus financières tels que la Direction générale des impôts déplorent l'interventionnisme politique dans les affaires de recouvrement des taxes et des impôts. Mais comment ça, quel genre d'interventionnisme Ici, il s'agit de quel genre d'interventionnisme Hey, je vais vous dire une chose. Depuis que le Niger est devenu indépendant, depuis que les nègres ont pris le pouvoir au Niger, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas empêcher de faire de l'interventionnisme. Moi, je n'en fais pas. Mais je sais que beaucoup de gens en font. Et ça a commencé euh, à cause de, de, la nature politique, de la gestion de l'administration et de l'État. Et ça s'est maintenu d'année en année, même durant euh, les régimes euh, les plus autoritaires, ça n'a jamais cessé il y a toujours des gens qui interviennent, qui interviennent pour des amis, des amis politiques, qui interviennent pour des parents, qui interviennent pour ceci ou qui interviennent pour cela. L'économiste et homme politique nigérien Sanusi Tambadjakou relativement à la situation économique du Niger et le récent rapport de la Banque mondiale qui classe le Niger comme étant le pays ayant engagé le plus de réformes en Afrique subsaharienne. Et nous sommes également au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.